سناء وسنائيا فسيح بليق ليس ينطق عن هوى بل الوقي والتنزيل واقي سمائيا بين عليكم بحبل الله للعبد واثقا فالنعجو يناوي ذكرنا في سقائيا وإن قلت هل ذا ورد نحج محمد أقول نعم وردي لنيل صفايا فما الورد إلا ذكر الله وحده تصلي على المختار خير ورائيا بين فما فيه ذكر سيدي aw dikru xayri fa wirdi li dain am bi ayn dawaiya ruwaydakum la tunkiru an jahalatin li bayin wa adwanin wa ayn jafaiya bayna wa qabbala qaladi wa ada amanatan هذا أصل دون سوء بجائيا والأقلام خلدة بقف نبينا لتحفو الذي يقفو دون مرائيا سواء جليل أو حقير فما لنا سوى قفل دخل الصباح مسائيا بين يا رب جبريل امين فصبتا على سنة هذه قلوب أولئيا بين ولا يتلين الله بالسيد والهوى نعيش على البيداء اليوم لقائيا ولا يك كسر الدين حظ محبنا بل اللب لب لب ما دهتايا سراتي فهو وخنا وكت لحبه أتي استياقا والغرام بلايا بايسنا وكل ولا إله وبرهام مبتلنا بأحمد خير الناس عين بهايا ومن حسد الجار عليه وإنني مبرز الأقران أوان سبائيا وقد تم عند مهدي وقد حنب جميع رجال القيب طاقت قدايا فما قلته شحا ودعا عريضه وعد جميع الفائسين ودائيان وقد تم فتحي عند لحظي وقد حنا جميع رجال الغيبات فقدائيا فما قدتهم في الشرق والغرب فحلا إلى مكة إلا نساء سسائيا ولمنا وحيل يوم خير محمد سرى سره في حكمه بين واخر الزمان كل حلفاء راقيا سوى من قد نهدي اسيره وما قلته شبحا وبحرا قريبا فحق جميع الفائزين بيدي ينال الدين الورى لوائيا بين ومن سياتي قبيل مماته ومن سأنا وهو كأخل السقاء ومن رام إدفاعا للنور إلهنا أبنا ونفيرا مهدائيا سألقي الحسن وإنني بسر المقفى لا يحاب بنايا رموني ومعمار مرادا وإنني أمسك بالماء جمعي يا شيخ سواد الجو وإنهم يولون أدبار الرقاب إمائيا يشومون دائما للقديم وإنه تكرس بالمختار قابل الرمائيا بين وقت سخرف الأقوام makam bin adwatin waqatu kitab qasdada radiya ya wajahu bi badrin aynahu warjanahu wajahu bi bangi zahiri ho ba bayna wal mahi tama fa bi bayti bi makkata yawmal fathi ya وصلاة وتسليم عليه بقدره وآل وأصحاب وأغنياء نوات بن يونا غاني كوتاتاني ننجم تسيح كودل دوروتاني نوات بن يونا غاني كوتاتاني nañ jam ci seex ku dellu dooroo taani nawet bi ñëw na gaañi kuy taataani nañ jam ci seex ku dellu dooroo taani nawet bi ñëw na gaañi kuy taataani nañ jam ci seex ku dellu dooroo taani yaay samsu yaay baxrul buuri yaay risqulaahi yaay sangomar gaal yeeg saxaar yi xàmme nañ la seequl xayri yaa tedd wóor na laahu renam njubal bi yaa tere garab yi daanu seequl xayri yaa tedd wóor na laahu renam jubal bi yaa tere garab yi daanu xutbul wujud bi yaa taaru yaa gëm laahoo yaa gëm nabiyu ak seexana tijaani am na ay may yu rëy ci njoon na ko te lii ma wax na mboolem Madina kon ñu ala gay ñu ala surwaale seexul xayri yaa siiw ni xayri diine yaa ne xaye kenn dootu dem service yaa ñaan sa buur mu sotti may ñu daanu yow maa la wóolu la yaakaar laa buñ demee qiyaam seex nag ñu may jinaana ñooy say jarak docteur bi kay bisit ñu seexul xayri may ñuy garab ñu naani koo xool wér koo gis wér yaa am siroom te koy wéral dootu dajeeg saytaane say ñaana rey xat naa wa naa yaa leen tasaane seex yaa dogoog saytaane ku ñëw ci yow nga daal di ay mbóotama ku yebbi gaala xam marchandise may daanu alhamdulilahi lazi tajalla di leen ko wër te di ko laaj qur'ana huwa alhafizu qur'ana moo tax ma ne di leen ko wër te di ko laaj qur'ana gay njolloor gi yaa raw fii ci kuñ lay tëkkalit koo ko ña koy daane gaynde njolloor gi yaa raw fii ci xitma kuñ lay tëkkalit koo ko ña koy daane salaamun aleykum siyaare naa la borom isnu nga Cheikh Baye Mamoun jaaraama salaamun aleykum siyaare naa la borom isnu nga Cheikh Baye Mamoun jaaraama salaamun aleykum siyaare naa la borom isnu nga Cheikh Baye Mamoun jaaraama bismil ilaahi may way tàmbalee ci nday joor jub njukkal bay maamu serviteuru mam baay góor jigéen ràññe ko der bu la fa yor leer antal imam ibnul imam mbooti mboot la rango bay maamun góor ak jigéen ràññe leen ko der bu ñuul la fa yor antal imaam ibnul imaam mbooti mboon la rango sët la ci Baay Ñas sët la ci Cerno alxasan dem tukulóoru baay bete bete nga man nga suuf man nga géej sët la ci Baay Ñas sët la ci Cerno Alxasan demun kulóoru baay bete bete nga man nga suuf man nga géej soo gisee Seex Baay Maamun sa du dem ci génn góor budul maam ja barahaama mi tax leer yi wasaaroo soo gisee Seex Bay Maamun sa xel du dem ci génn góor gudul maam ja barahaama mi tax leer wasaaroo kuy ndonga Seex Bay Maamun doom demal ma ñëw la laajal ma Donald Trump ku Amérique xayeem ga mu jëm ga ñaaw na bay maamun lu wax mu am kàddoom demal ma ñëw la laajal ma Donald Trump ku xayeem ga mu jëm ga ñaaw na fii ci Sénégal lu jiitu mbas mi coronavirus bay maamun junjoon na ko ba wax solution ya baatab kun su ku ko weddi iblis nga yaakaar dëgg-dëggi borom kum daal jokkoog daal bay maamun serviteur des serviteurs Baye Mamoun digne petit-fils de Barhama l'international jaaraama summa salaatu wa salaamu ala nabil xayril anaam yal na yàlla yokk say may barka Baye Barhama allahumma salli ala sayyidina muhammadin لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم عليهما عنتم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا رسول قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك إلى فأنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم الفاتحة mel ne muy Ahmed Dame Tambadou ak ñi nga xamante ne gan yëpp ñi nga xam ne teew nañu tey ci bésub Laylatul Qadr bi nga xamante ne nii Saloum Actu mi ngi koy amal ànd koog waa ISO mu mel ne dañuy kontaanaat beneen yoon ci ñu leen gisee yéen ñëpp ngeen ñëw wuy si ci suñu woote ndax yombut c'est la première fois ñuy def li ni mel wax dëgg yàlla euh, ñu gis mbooloo mi nga xam ne niñ takkoo ñëw teew ci suñu bés kon duñ def lu dul rafetlu ko bu baax di kontaan bu baax ci teew bi nga xam ne yéen ñëpp teew ngeen ko man nag man maay Fallou Sylla maay coordonnateur u site bi waaw mu xam naa ne kàddu yi du mën a sori waaye dañuy bégaat ci bu baax a baax comme ndax

fi legui dañuy jël cadre gi rek daal koy djébal euh, ki nga xamante ni moom di suñu président directeur général muy dam Tambédou mu dal di dalal gan ndax mom yakarna né euh, lepp moma mom mo tax tay ba li dal di mëna am kon mom lañuy djébal cadre gi rek mu dal di dalal gan yëkëti ci ay cadre ñu soga woyal li nga xamante ne di programme bi kon PDG inshallah allah lay jox cadre gi rek nga yëkëti ay cadre bo paré rek ñu soga woyal li nga xamné modi di programme bi. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di nuyu ñu nekk ci jataay bi yëpp gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ki nga xamne moy borom dëkk bi ndax dañ ne bo demé ci dëkk booy nuyu wala ngay dal dal dëkk nuyul borom dëkk bi muy honorable député Moustapha Mbeng nga xamne mo ñu dalal fi ci Kër Massar ñu ngi koy nuyu bu baaxa baaxa baax di ko ziaré di nuyu Ousmane Diam mi nga xamne représentant représentant la ñëw itam ci turum di nuyu di ziaré khalifa général faydi Tidiane Cheikh May Ibrahim Niass di nuyu imam akbar Cheikh Ahmed Tidiane Cissé di nuyu porte parole bi comme ñu ngi Dakar nak ñu nuyu daj depp gi muy Baba Lamine ness nga xam mo fi représenté serigne bi fi ci Dakar euh, serigne bi sun cadeau du ci bëri ndax ci koor lañ ne yité yu na te bët na ba pare sigar si difa dafa neex rek ñu xababal waaye bërsee na ba pare mais kàddu cant rek la ndax lii sant yàlla la mënuñee wax lii nag te duñu wax Pape Mañsa Diop parce que ku gërëmul doomu adama du gërëm yàlla ndax loolu yàlla suñu borom moo ko wax gannaaw yàlla ak yonantu ba lii yëpp Pape Mañsa la donc te ba nga ko commencé yàgg na yàlla na ko yàlla lafal cet yaara bi sëriñ bi di tàkku nga ñaanalal ñu ko bu baax moom moo ko dox ba lii sotti moom ak ñi mu àndal muy ko mel Cheikh Ahmed Tidiane ak Mami Barham ak Khoudia Ami Loum su ma damay juum mais ñoom ñooñu su ma leen rek yóbbu naa di nuyu Ousmane mi nga xam ne moo fi teewal maire bi teew itam ci ndax si ñi nga xam ne si leen tuddee guddi gi bokk waaye sëriñ bi nga ma rek soxna nga ne suñu tuddee guddi la bokk mu ñëw toog muy Ndey Diallo soxna si ñu lay ziaré bu baaxa baax di la ndokkeel bëgg bay Ñas lool sha allah yalla na yokku te yalla na yalla guddal sa fan soxna si ndax bu ñu xaritu Seyda maryam rek moy moy bëgg bay di nuyu bu baaxa baaxa baax nak bay Rahman serigne bi bay Rahman ñu koy nuyu bu baax di sant di ko gërëm guddi kenawi gannaaw yalla yonantu ba su ma su taxawé serigne bi sa ndigal ak sa ñaan ak sa lepp bay bay Barham la ak seigne Abib sek ak Ousmane jemi ak Cheikh Baye Fall benn dërëmu nguur demu fi ben deureum ken demu fi sëriñ bi gannaaw yalla yuntu ba nga ñaané gene liñ ci def def ko ci ñi ci def ñoo def ñoo taxawul guddigi kon nak loolu sante yalla la bu baaxa baaxa baax ñi ñaan yalla nga ñaanal len di sante ñepp di gëreem ñepp ISO sécurité ak salum Acti bok moy groupe ISO interbusiness ñoom kenn ku nekk dina wax ci kàddum mais dama doon ñaan Ousmane nga xam ne moom moo fi représenté maire bi ndax boo demee ci dëkk da ngay wax borom dëkk bu mu dalal la mu dalal sëriñ bi ba pare mu toog nag mu déglu discours bi nga xam ne sëriñ bi moom lay dégg moom moom la sëriñ bi di liir mu nekk discours bu am solo boo xam ne ñun ñëpp bi ñu demee dinañ yóbbaale yóbbal yàlla na yàlla kattanal ko ba sëriñ bi yeggali ko ci jàmm kàddu yi du ci bëri ndax suñu xol dafa sedd guy te ñun mënewuñu wax yàlla dafa def ma mënuñu wax jëf daal lañ gën a mënee mënuñu wax waaye bisu tey bisu sant yàlla la bisu mbégte la ñu ñàkk a wax. di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp képp koo xam ne nii jàpp nga ci liggéey bi ñu ngi lay gërëm mais sëriñ bi nga ñaanalal ñu président de la république ñaanalal ñu ministre Mariama Sarr ñaanalal ñu honorable député Moustapha Mbeng ndax suñuy nit lañ suñuy kilifa lañ te dañuy jàppale bu baax a ci liggéey bi nga ñaanalal leen yàlla. lii nag ñoo ngi sant yàlla di julli si yonent bi di sant sëriñ bi ni la ko waxee ñii ma xam ne nii tudd naa leen yàlla lii ñoo ñoo doot ñii ñoo ko taxawal ci yitte Pamañ sa Jóob ñu ñaan itam bi di ko waxaat nga daal ñaanalal ñu Pamañ sa Jóob ak groupe ISO interbusiness yëpp euh, euh, am na Ali bi nga xam ne mooy suñu client bu mag yónnee na fi benn magam muy Malick Cissé mu ngi noonu représenté na client groupe ISO yëpp nga ñaanalal ñu sunuy client yàlla sàmm leen aar leen ñaanalal ñu suñuy client ñu suñu société yàlla sàmm ko aar ko Ousmane ñu ngi la ñu ma jox sëñ Fallou mu jox la nga dalal ba pare te ngeen toog ñun ñëpp ñu toog déglu ko discours bi Ousmane yóbbaale ko jox honorable député mu jox ko président de la république mu nekk njëriñu Sénégal yëpp serin bi ñu ngi lay dolliwaat di la santaat di la gërëm yow mom sama diggante yow duma sax am dimalay gëreum ndax gannaaw yalla li ba mi taxaw sa sa sa yëf la duma wax sax sëñ abib sëñ abib bu groupe ISO interbusiness ndax li mom moko mom kon sëñ bi man duma la sax sant duma la gëreum yima lay wax dal moy ñaanalal yalla Sénégal ñaanalal yalla Sénégal ñaanal yalla suñu njiit rew ñaanal yalla suñu kilifay rew ñaanal yalla suñu khalifa buñ neyo khalifa euh, euh, Cheikh maye rek nuyu nañ khalifa yi nek Sénégal yëpp sëriñ bi kàddu yu loolu la lañ def waaye ñun mënuñoo wax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag sikarkat yi sikar may li ngeen fi sikar li li li ñuy wax naan li ngeen fi sikar moo fi des waaye li ngeen si li fi sikar moo fi des macha allah yàlla nañ ko fi sikar déwén sëriñ bi bis bi nag bépp ba ba ilaa yow yub xam suuna heure bu laylatul qadr ñëwee danañ ko def waxuma ba kii de ba ilaa yow mi yub xam suuna laa wax heure bu laylatul qadr ñëwee danañ ko def loolu lañ bëgg nga ñaan ko yàlla di di siyaare ñii waa Saloum ak ti ñii nga xam ne Cheikh tijaan moo leen jiite muy ay caméraman nekk ay technicien nekk ay réalisateur sëriñ bi nga ñaanal la leen yàlla ndax say say njaboot lañ ndax société bi sa société la ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne sëriñ bi ñaanal ñu bis bii muy gën di màgg di gën di rëy di gën di neex ci barke yonent yàlla Muhammad barke Mawlana Cheikh al Islam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala ñoo ngi nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di jiital si nuyoo bi suñu sëriñ suñu wëllare suñu soppe muy seex ñoo koy nuyu bu baax sëriñ bi eh, déggante nañ téléphone muy nit ku baax ma amoon yéene loolu ñu gisee ma dem bay ñëw xat-xat téye ñu waaye alhamdulilah biñ daje tey si jataay bi man nag comme ni ko gars yi waxee rek damay wax si turu monsieur mais suñu président daayira Moussa Camara comme ñun lañ tuddee guddi gi moom mooy wax si turu tuddee bi incha allah monsieur le na moo ngi leen di nuyu di leen di sant di leen di gërëm Cheikh Habib yaa mbooloo mi nga àndal honorable député maire Moustapha moo ngi lay wax dalal jàmm si Kër Massar moom de soppe bi la ku bëgg maulana Cheikh Ibrahim la kérok bi ñuy ut mairie bi suñu serigne Baye Cheikh Tidiane Kouta di def gamu, Cheikh Abdou Barham généralu Baye bi doon def gamu gi kérok ñun dañu ñëw tok rek Mawlaay Cheikh Mahi jóge France ñëw si gamu gi bi Abdou di laaj Adia ne yeen politiciens yi nekk fi di xëccoo mairie bi ki wara a nekk maire bo joxe ñent junne yaay nekk maire. Moustapha Mbeng ne bërét joxe ñeenti junni candidat yi bëri woon waaye moom moo falu mu dellu kabineem lépp ay taalibe bàyyi lañ keroog mu defal ñu teraanga bu rëy ci Kër Massar jëlee rond-point Kër Massar bi ba Sédima mu tuddee ko Maulana Cheikh Ibrahim dibiteri ba teen ba mu tuddee ko Maulana Cheikh Mouhamadul Mahi ñu def fa arrêt Baye Niass ñu inauguré ko xalifa bi waroon ñëw mu am ngànt mu yebar rakkam kon nag euh, ku jara ñaana la mais ku jara jàppale la wax dëgg yàlla lu ñu soxla mu taxaw si démb daa amoon fii programme tribune bi moom moo ko fi indi ma xëy woo ko nekk ko ñun dañ fiy def leelatul xadri tribune bi bàyyil ñu ko fi ba programme bi jàll mun nañu amul problème kon dëgg dëgg ku ñuy jàppale la kon ñaanal leen ko Kër Massar day dem département mu jig ñu tamit mu ñeexal Kër Massar yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ku lim juum mais maa ngi gërëm di sant Maysa nit ku baax taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim ku nangoo sonn si jaamu yàlla yi kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm Cheikh bi ñoo ngi lay wax dalal jàmm si Kër Massar waaye nga ñaanal ñu nga ñaanal Kër Massar bu baax a baax. mi mel ne ñi ngi bég lool ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko fii waaw di la wax rek yóbbante ay kàddu ci maire di ko wax ne ko nag ñi gën a fasantewaat ak moom kóllëre ndax yaakaar naa ne site bi moom sitam la gis nañ ni mu ko jàppee waaye rek dañuy gën a fasante ko rek incha allahu rabbi ba lépp loo xamante ni rek ay mbébét la euh, incha allahu rabbi ñu ànd koog moom euh, kon ñi ngi kontaan bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di kàddu yooyu nga xam ne yëkkati nga ko fii di rafetluwaat bu baax tamit teewaay bi euh, dañuy wëyandil ba tey rek programme bi ñu jox Cheikh Habib waaw mu daal di rek def discours bi nga xamante ni nag waaw ñi ngi ñaan ñëpp ñu teewlu ko nag ndax Bismillahirrahmanirrahim eh, comme M. Ousmane Dia le représentant de l'honorable député M. le maire de Kermassar est un intellectuel et il y a d'autres intellectuels ici et il y a l'intellectuel qui est à l'heure actuelle qui est là Donc, j'ai besoin qu'on me donne les oreilles. Après avoir magnifié et rendu grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur des mondes, et sa divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avec cette crise sanitaire, on a appris et compris que l'individu n'est pas le summum de l'existence humaine. L'individu ne peut vivre que s'il est dans un système de relations et donc, dans une solidarité avec le monde, ce mois de Ramadan, un mois béni, est une occasion de méditer, de réfléchir à la parole du prophète, paix et salut sur lui. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain et ce qu'il aime pour lui-même. Je vous souhaite un bon mois de Ramadan rempli d'amour du prophète paix et salut sur lui, de joie de vivre, de compassion, de patience et de vertu spirituelle. Salut à celui qui est à trouver l'univers entier dans les ténèbres et à puiser de ses lumières pour l'éclairer. Sans qui on n'aurait vu aucune existence qui s'exprime. Je me suis attaché à lui et je l'ai aimé avant de connaître un autre amour, car l'amour de Taha, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa est un précédent. Par cet amour, j'ai aimé Ahmad, son petit-fils, le sceau des saints, le summum des Arif, La tariqa tijane est une voie qui vous ferait le chemin du bien et vous mène à la reconnaissance divine. Car elle est soutenue et nourrit des principes de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Baïnes, si tu me demandes si mon verdi est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je te répondrai par l'affirmative, car mon verdu en effet n'est autre chose que la récitation de nom de Dieu, l'unique, avec la prière sur l'élu, le meilleur des hommes, les invocations contenues dans ce zikr, ce qui dit litanie, ne sont pas nulle part ailleurs. D'ailleurs, mon wird est pour et par le mal d'un adorateur la source de remède. Tout beau ce wird. Ne rejetez jamais mon wird par ignorance, par esprit de rébellion, par animosité, par insolence, ni par cruauté. Les chefs sont des guides qui doivent imiter notre prophète paix et salut sur lui, afin qu'en face, autant quiconque veut sans contestation prendre exemple sur lui, le prophète paix et salut sur lui. Baybar Hamanyas, l'homme multidimensionnel, une figure charismatique, le détenteur du succès, Cheikh al-Islam, n'a pas manqué de magnifier de prodiguer des conseils avec une connaissance positive qui enseigne et amplifie la vérité et doit être portée par une jeunesse qualifiée, une jeunesse intelligente, aidée par l'expérience et la sagesse des anciens. La faïda, ou inondation en arabe, est une expression métaphorique qui traduit l'adhésion massive d'hommes et de femmes à l'islam et à la tariqa tijane. Un véritable mosaïque des peuples, les fidèles rassemblés autour de leur maître, nourris de la sève spirituelle, constitueront une famille unie dans la foi en Allah. Toutes différences ethniques, culturelles ou sociales sont fondues dans l'unicité divine. Craignez Dieu, soyez humbles, car de cette humilité, vous n'en êtes pas abject. Savoir, abondance, richesse, ces trois vocables sont ponctués en bas. En revanche, également, pauvreté, chasseresse, ces trois vocables sont ponctués en bas. Hâtez-vous d'en prendre acte si vous êtes doué de bon sens. L'âme vertueuse, Maulana Cheikh l'homme aux qualités morales éminentes, le dépositaire, le pôle, celui qui tourne le dos au pôle suprême de son époque, n'aura aucun bienfait, même s'il avait cru à tous les pôles précédents, et même s'il adorait Allah, comme l'ensemble des humains et djinns réunis. Le mois de Rabanda, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens donner âme au mois de Ramadan. En jeûnant le jour et faire des prières surérogatoires. Les nuits, pendant le jeûne, vous ne devez pas vous laisser aller aux discours obscènes ou à des violences de langage. Si quelqu'un vous insulte, où vous cherchez querelle Répondez-lui, j'ai gêné, j'ai gêné aujourd'hui. Celui qui ne s'abstient pas d'être hypocrite dans le discours et dans l'action. Dieu n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger ou de boire. Cinq actions rompent le jeûne. Ce sont le mensonge, la médisance, la calomnie, le faux serment et la concupiscence. N'enviez personne, nommez pas les défauts d'autrui, ce faisant vous découvrez les vôtres. Car au moment où je calomnie mon prochain, je dévoile que je suis un calomniateur. Le Coran, livre de base de la religion islamique, la religion aux yeux de Dieu est la religion islamique. Livre qui n'a pas été le produit de l'erreur, ni par devant Dieu, ni par derrière lui. Ne vous prosternez point devant le soleil, ni devant la lune. Prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Si c'est lui que vous adorez, il est Allah, unique, le seul, le créateur des cieux et de la terre à partir de lui-même quiconque ne croit pas en l'enseignement du Saint-Coran croit en Dieu seul ou qu'il croit à un objet qu'il ne voit pas ni n'entend. Un objet inanimé créé par Dieu ou l'homme lui-même, telle la croix ou des statues. Dieu est plus grand que ça. Que la paix et la bénédiction soient sur le sceau des prophètes, paix et salut sur lui, son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Les personnes qui croient en moi, qui font le bien, qui prient, qui donnent la zakat, ceux-là même n'auront pas de soucis dans l'autre monde. Si le jour du jugement dernier arrive, une chose sortira de l'enfer nommé Arish. C'est le descendant de Akrab aussi grand que la distance qui sépare le ciel et la terre. Jibril demanda, Toi, Arish, où vas-tu Qui cherches-tu Arish répond, Je vais chercher cinq personnes. Les premières, qui ont, ce sont les personnes qui ont abandonné la connaissance divine. C'est la meilleure des connaissances. Deuxièmement, les personnes qui ne donnent pas la zakat ainsi que les égoïstes. Troisièmement, les personnes qui désobéissent à leurs parents. Quatrièmement, les personnes qui boivent de l'alcool abandonnent la prière. Cinquièmement, les personnes qui, au sein des lieux de prière, parlent de futilité. Dieu a créé l'esprit et lui a dit, mets-toi face à moi et tourne-moi le dos. L'esprit s'est mis face à lui et lui tourne le dos. Dieu lui pose la question, toi qui es-tu et moi qui suis-je L'esprit lui répond, tu es mon créateur et moi je suis ton esclave et un faible esclave. Dieu dit, toi esprit, tu es la plus parfaite de mes créatures. Dieu a créé l'âme et lui a dit, mets-toi face à moi. L'âme ne répond pas à son appel. Dieu lui pose ensuite une question. Toi qui es-tu et moi qui suis-je L'âme lui répond, moi c'est moi et toi c'est toi. Dieu punit l'âme pendant 100 ans en enfer. Après 100 ans, Dieu sort l'âme et lui posa la même question. L'âme répond comme la première fois. Dieu punit l'âme dans l'affaire de la faim pendant 30 jours. Après 30 jours, Dieu sort l'âme de la faim et lui repose la même question. L'âme cède et répond, je suis ton esclave et toi, tu es mon créateur. C'est à cette histoire que le jeûne a commencé. Elle est mise à l'homme. Dieu a créé Dieu à l'image de Dieu et il l'appelle à l'homme. Chacune des créatures de Dieu a un rôle. Celui de l'esprit est l'obéissance et celui de l'âme est la désobéissance. Si l'esprit domine l'âme en l'homme, l'homme devient bon et il est humain. Il combat les mauvaises choses et suit ce que Dieu veut. Si l'âme domine l'esprit en l'homme, l'homme devient orgueilleux. Il ne cherche que son propre plaisir, fait ce qui est interdit. Il vit uniquement pour les plaisirs de la vie. Car l'âme ne conseille l'homme que pour de mauvaises actions. Le cœur est faible, mes amis. L'esprit infirme et l'âme corrompue. Les Juifs ont demandé au prophète paix et sur lui pourquoi le mois de Ramadan est de 30 jours. Le prophète répond sallallahu alayhi wa sallam parce que notre père Adam, depuis qu'il a mangé le fruit de l'arbre interdit dans le paradis, ce fruit est resté pendant 30 jours dans son ventre. Et Adam dit, Oh mon Seigneur, pardonne-moi. Oh mon Seigneur, pardonne-nous en l'honneur de ton messager, paix et salut sur lui. Dieu lui demanda de jeûner 30 jours. Il lui accorde son pardon ainsi qu'à tous les gens qui suivront son exemple. L'escalier du Satan c'est le plaisir qui sont au nombre de quatre. Manger, boire, faire l'amour et dormir. Le bénéfice du mois de Ramadan est compris en lui-même dans ces lettres qui sont au nombre de cinq. Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Lettre Ra, c'est la lettre père actualisatrice de salvation et de grâce. Lettre Mim, L'être-père considéré comme le sultanat des lettres car elle indique la seigneurie, la gloire et l'absolu lettre de la plénitude mohammadienne. Dod, l'être-père à double sens. La lumière solaire qui donne la vie et la déchéance ou la déciétude. La lettre de la garantie de Dieu vis à -vis des gens qui suivent sa recommandation. Alif symbole de l'unicité divine, de sa permanence et de son éternel être qui représente la promesse de Dieu. Nous, l'être de lumière divine irriguant le cœur des élus. La singularité de sa science, il traduit aussi le caractère sublime du prophète paix et salut sur lui. C'est la lettre qui représente la garantie de Dieu vis à -vis des personnes qui disent la vérité le cadre, jour ou bien nuit de respect ou nuit du destin, qui est une très grande valeur, une nuit meilleure que mille mois, équivaut à 83 ans. Beaucoup d'intellectuels, ou bien beaucoup de savants, on dit que les lettres de Laylatul Qadr sont au nombre de neuf. Et Dieu a répété dans la sourate Al-Qadr, Laylatul Qadr trois fois. Sachant que neuf multiplié par 3 est égal à 27. La plupart de ces intellectuels qui sont à l'heure actuelle on dit que la nuit de Laylatul Qadr se trouve être la nuit du 27 jour du mois de Ramadan. Mes amis, ne nuisez pas un musulman. Même s'il est évident qu'il est l'auteur de vos griefs. Hâtez-vous d'implorer la rémission de ses péchés. Mon frère, ne nuisez pas un esclave de Dieu. Ceux-là sont des esclaves de Dieu. N'agréez pas celui qui nuit si celui-ci a commis une mauvaise action. Contre vous, craignez Dieu. Mon frère, il faut savoir cerner les, toutes les facettes de l'esprit, ses tours, ses pièces et ses ruses. Attachez-vous au respect, vous qui aspirez à Dieu, car le respect est la clé qui vous ouvre le chemin de Dieu. Dieu a dit, oh, vous croyez en Dieu, craignez-le et cherchez un maître qui vous guide vers Dieu et éduque ton âme à s'unir avec ceux qui prononcent le nom d'Allah matin et soir et qui ne cherchent en cela l'agrément de leur Seigneur. Imam Khazali a dit, c'est une obligation pour quiconque de connaître Dieu. Car nul n'est exempt de défaut autre que les prophètes. Quiconque n'entre pas dans notre sagesse mourra dans de très grands péchés sans le connaître. Dieu fait aimer Baye servir Baye et remercier Baye Maulana Cheikh Oudou Khairi est digne de confiance. Nous remercions l'honorable député, le maire de Kermassar, M. Moustapha Mbeng. Nous remercions le parrain d'honneur, M. Ousmane Dia, avec un ami, un guide, un saint, Cheikh Baifal Al-Mourchid, et aussi de remercier le PDG de Saloum Akki TV, de Uzo Moucher Mohamedou Tambedou, et tous ses collaborateurs, en particulier Pape Maïsa Diop, et aussi de remercier la marraine qui pouvait s'appelait une diva. Quelqu'un qui a vendu toute sa vie, toutes ses promesses, toutes ses forces à Maulana Cheikh Ibrahim Zayda Diallo, qui s'appelle une femme brave, une femme de fer, une femme qui n'aime que Maulana Cheikh Ibrahim qu'on l'appelle Zayda Diallo et qui même crée des emplois. Quand tu vas au port autonome de Dakar ou bien au marché central de Pékin, qu'Allah vous gratifie, que la grâce d'Allah aille avec vous, avec ta famille, ton mari et tout le monde. Que la bénédiction d'Allah vous garde. Aussi de remercier une autre manière qui s'appelle Zayda Fatima Ba qui est au Canada, qui a été nourri de la sève spirituelle par ses parents à Medina Bay. Nous tous, on les remercie sur cette nuit, une belle nuit. Zayda Fatima Ba aussi, que la bénédiction d'Allah et le salut du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit sur toi et ta famille. Je remercie ici les Akir qui ont levé les séances de litanie. En l'occurrence, Cheikh Majaranyan plus connu du nom de Nyan Baynes, un grand chanteur qui n'aime que Maulana Cheikh Ibrahim qui aime tous les élus et tous les muqaddam, surtout Maulana Cheikh Bay le serviteur de la faïda et de l'islam. Aussi, de remercier Cheikh Mohamed Sar un maître, un grand éducateur expert sur le livre saint d'Allah, le Coran, ici à Djahaïde. Aussi de remercier tous ceux qui ont été avec moi pour cette nuit et sa réussite. Donc, je remercie Baba Karfaï, Maleka et autres surtout mes fils comme Abdallah Sen, Ousseynou Diouf Hassan Djouf et mon fils Malik Faye aussi de remercier une fille brave qui n'aime que Baïnes. aussi de remercier une fille une fille très brave très sympathisante très généreuse qui s'appelle Mami Barham, qui ne vit que pour Baynes, qui a traduit toute sa vie au nom d'Allah, au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au nom de Sayyidi Shah Amir Tijan au nom de Maulana Cheikh Ibrahim Agnès, surnommé Mami Barham. Et toutes ses amies, aussi de remercier aussi une accompagnatrice un véritable talibé Maulana Cheikh Ibrahima Amina donc je remercie toute la communauté islamique surtout les gens qui étaient à l'honneur du Saint-Coran de la traduire et de faire des prières surérogatoires avec le Saint-Coran nous vous remercions que la grâce d'Allah soit avec vous qu'Allah accepte et exauce nos prières. Surtout de remercier notre vicaire, Maulana Cheikh Mohamedou Mahi Ibn Cheikh Ibrahim Agnès. Aussi de remercier le grand imam, Al-Imam Al-Akbar, Maulana Cheikh Ahmed Tijan Ibn Cheikh Aliou Sissé. Aussi de remercier le grand porte-parole qui a porté les paroles véridiques de la faille de Tijania, Maulana Cheikh Mohamedou Mahi Seydi Alin sissé Aussi de remercier le plus grand ambassadeur de Maulana Cheikh qui est ici à Dakar, capitale du Sénégal, mais aussi celui qui a nommé Kermassar, capitale de la Faida, ici à Dakar. Il y a son monument qui est ici, Maulana Cheikh Mohamedou Amin. Ibn Maulana Cheikh Ibrahim plus connu du nom de Baba Lamine. Aussi de retourner au Berkay et de remercier mon guide, un guide, un éducateur expert, pénétrant, qui connaît Dieu dans ses aspects, exemplaire et sage, Maulana Faloubay Barham l'ambassadeur de Maulana Chebraï Ibrahim à Saint-Louis et à travers le monde. Aussi de remercier le dépositaire, le pôle, Maulana Cheikh Oudou Khairi. Maulana Cheikh Oudou Khairi est digne de confiance. L'homme aux qualités morales éminentes, un véritable musulman, un véritable talibé Maulana Cheikh un vrai disciple. Que la grâce d'Allah soit avec lui. Hâtez-vous d'en prendre acte. Nous implorons au nom d'Allah de nous protéger. Nous implorons au nom d'Allah de bénir notre pays et de bénir les gens qui habitent le pays. Surtout, on prie pour notre président de la République une bonne continuation en paix et en bonne santé avec son équipe. Aussi de remercier le peuple sénégalais de retourner aussi aux disciplines, aux vertus, les éthiques qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Merci de remercier les guides religieux qui sont dans ce pays, qui représentent chez Ahmadou Bamba, Hadim Rasoul, Sidi Haji Malik Si, Mamli Mamoulay et autres Hâtez-vous d'en prendre acte si vous êtes doué de bon sens jërëjëfe Baye fait jërëjëfe Baye Niass fait Baye Dieu Baye Allah Baye Habib Diop suufar naa bay suufar naa jege njàngroon Cheikh Habib Diop suufar naa Gorée গরিব জব সুপার না করে ভাই সুপার না কে কে গো শেখ আবিব জব সুপার না করে ভাই সুপার না কে কে গো আমদুল হাবিব সুপার না করে ভাই সুপার না কে jangro hamdul habib sufarna gore bay sufarna jege jangro hamdul

kontaan nañ bu baax suñu xol sedd na ñun lii rek lañ bëgg waaw ñun lii rek lañ bëgg saa su ne bu ñu ci wooyee dañuy bàyyi li ñuy def lépp dem wuyu ci ndax bàyyi lañ bëgg bàyyi lañ xam bàyyi lañ gis bàyyi la ñuy nooyee kontaan nañ bu baax Cheikh Habib nag mënuñu koo fay dañ koy ñaanal yàlla rek gudd fan ak wér gi yaram ndax man nijaayam laa xamanteel muy sama wóllëre ñu nekk poor di fa liggéey mu boole maag Cheikh Habib ndax gis na ni ma mel ci Maulana Cheikh ma ndax man ku ma xam bàyyi nga ma xamee waaw may jëndee foofu jën poor di ko yóbbu marché poisson di fa jaay waaw bi ma nekkee foofu di fa liggéey ci laa xamanteeg nijaayam bii mu boole maag Cheikh Habib wax dëgg fa yàlla ba ma xamee Cheikh bi ba léegi avancement rek ñu ngi sant yàlla bu baax di sant tim biram mi nga xamante ne mooy sa nijaay xamal la ñoo yow ndax ñun lépp lu ñuy wër rek mooy ki nga xamante ne moo ñu gën a bëgg baay wala ki ñu gën a bëgg yàlla te moo nee baay rek jeex na tàkk sax kooku la ñuy wër te bi Habib dafa bëgg baay waaw macha allah kontaan nañ bu baax waaw man mareyeur laay def di jënd jën port Moldis di ko yóbbu marché poisson di ko fa jaay mag sama borom kër ak sama njaboot. waaw ñaanal leen ñu rek yàlla baax na li ci kanam raw di bët incha allah eh, fi ma nekk tim si Baay Ñas laa dëkk waaw fa la ma bàyyi yóbbu jënd naa fa kër ba tabax ko ba jour bi ma fa toxoo ci samedi ci guddi laa gis tableau bi ñu bind fa Cité Baye ma ne Baye yaa defati lii ba tey jërëjëf baay waaw ñaanal leen ma rek yàlla baax na li ci kanam rawati bët incha allah ma nekk fa nag di liggéeyal Maulana Cheikh Ibrahim yàlla boole maag tim benn politicien bu ñuy wax euh, Thierno Mbengue mu jiitee mareyeur yëpp waaw bi mu jiitee mareyeur yëpp man maa topp ci moom man maay présidente mareyeur yi mareyeur yi maay seen présidente ñu ànd di liggéey ci ANAMS waaw moom it bu soobee yàlla yonent bi yàlla dina def dina ñëw fii xamanteeg yéen li muy dugalante di ci jàppale nit ñi mu jàppale leen ci waa Kër Massar ndax man lépp lu ma am rek yéen a ma ko gënal ndax yéen laa bokkal di nooy Cheikh Ibrahima waaw incha allah mu ngi dugal deer bi di ci jàppale ñu bëri Pape Sarr mu ngi ciy jàppale ñu bëri waaw bu soobee yàlla dinaa ko booleeg Cheikh Habib mii ñu ànd liggéeyal ko bu soobee yàlla gis suñ njëriñ ñun ñëpp incha allah na yàlla def jàmm. ñu ngi gën a yëngu ci sécurité.

kenn ku nekk bu weer dee nga am loo jël yóbbu say waajur loolu nag sëriñ bi ñu ñaan yàlla nga ñaanal yàlla mu yokku nga ñaan ñu yàlla yàlla dëgëral ñu li nga xam ne moom la ñuy ñaan di ko di ko di ko ñaan président de la République ko ñaan ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi mooy ñuy jàppale ñu si financement jàppale ñu si encadrement jàpp jàpp jàpp jàppale ñu si euh, formation pour ndaw ñi ndax ñun ñaanuñu xaalis euh, laajuñu leen ndax. dañuy créer ay emploi ci dëkk bi ndaw yoo xam ne euh, ay ndaw yu am xam-xam lañ ndaw yu diiñ li ñu soxla mooy ku leen jàppale ci formation jàppale leen ci encadrement jàppale leen ci financement di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne seex bi nga ñaanal ñi yàlla suñ société bi yàlla dëgëral ko ñaanal ñi yàlla yàlla barkeel ko déwén ci heure bi ñu fekkee ko mu nekk yokkati si ñëpp di gërëmaat sikarkat yi bu baax a baax a baax sikar si neex na lool macha allah di gërëm journaliste yi fi teew yëpp rawati nag waa Saloum Actu ak euh, ISO sécurité ñi nga xam ne ñoom ñoo waral bis ñoom moom lii muy société sëñ Cheikh Habib Diop bii nga xam ne moo ci teg loxo teg ci tànk te yaakaar na ne Cheikh Cheikh bi lépp lu mu teg loxo teg ci tànk mu ngi mel ni Mawlana Cheikh al Islam moo ci teg loxo teg ci tànk te lu Mawlana Cheikh al Islam teg teg tànk amul ragal te amul dellu ginnaaw dem rek kon ñuy ñaan yàlla ñëpp ñu ñëw teg ci seen loxo ndax mu dem yàlla yool bi suñu borom boole leen ci sëriñ bi loolu moo nekkoon kàddu yi euh, ki nga xam ne waroon représenté ISO dafa bu génn léegi ma far wax ci kàddum mais moom bu gën waxoon dina gën a euh, leeral ndax moom moo ñu gën a fasaa te et puis moo ñu gën a maîtriser li nga xam ne mooy kër gi mais nag comme manul ñàkk ñu sànni si kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته